de, cette, de ce pilier de l'islam qui est la prière. Euh, vous avez eu à la première qu'on avait faite, alhamdulillah. Et beaucoup de frères en ont tiré euh, profit et bénéfice, mashallah. Nous demandons à Allah de, nous donner encore la force de l'adorer et qu'il exauce aussi tout ce qu'on fait comme euh, acte de, de, de dévotion et d'amour. Aujourd'hui encore, Inch'Allah, on va euh, s'atteler à démontrer encore, mais de manière plus scientifique, et calculer et chronométrer euh, la prière pour que les frères puissent, euh, Inch'Allah, à partir de cette vidéo, avoir une idée euh, un peu précise sur la durée de la prière. Car la prière aussi, c'est un temps. Allah, il dit, il n'a pas al kitaban Donc, c'est des heures prescrites, mais aussi, il y a une durée euh, minimale, que cette prière euh, doit, doit, avoir, pour que ça se, ça fasse dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire dans les conditions enseignées par le prophète dans Mohamed la prière, c'est comme un contenant. Maintenant, le contenu, c'est le récital du Saint-Coran, c'est les tasbihat, mais aussi c'est les prières, c'est le tashahhud, le taïr comme on dit. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, sans plus tarder, on va euh, s'engager dans cette pratique de la prière pour maintenant euh, euh, simuler, essayer de faire un. Hein, dans une optique didactique et pédagogique euh, une prière de Fajr, Inch'Allah. Et on va chronométrer et essayer de voir avec vous euh, la durée de cette euh, action. Et Inch'Allah, cette durée-là sera retransmise dans les commentaires pour que les frères puissent se baser sur, cette durée. Inch'Allah, on va faire la même chose pour la prière de Asr ou bien de Zohr. Euh, euh, Là aussi, ça va nous donner une, idée, Inch'Allah. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine différence entre ces, deux prières-là sur la durée des sourates qui sont euh, lues dans ces, prières-là. Inch'Allah, on va laisser Tierno Omar il va faire Al-Iqaba, il va faire Takbiratul Ihram, il va réciter la Fatiha et une sourate, Inch'Allah, faire le record. Mais comme on enseigne, les records et les sujoud seront faits à voix haute. C'est-à-dire que on va entendre, on va l'entendre dire, on va l'entendre dire Subhana pour que tout le monde puisse euh, tirer profit euh, euh, de, la durée que ça, ça doit prendre, Donc j'invite tous les frères qui sont en ligne, qui peuvent nous aider avec euh, leur téléphone aussi à mieux chronométrer, à mieux calculer, à mieux euh, vraiment avoir une idée claire de ce que l'on fait, Inch'Allah, de participer euh, en commentaire pour ce, direct là, J'avais sorti mon téléphone pour, pour essayer de calculer, d'avoir une par la prière de آياتنا حسابا كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن إن فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن إن إن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها باتا ولا لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الكتاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله ربنا ولك الحمد الله وعلتك أنا ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي الأعلى الذي قدر فهدي والذي أخرج المعيد فجعله غثاء وسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي وليسرك باليسر فذكر إن الذكر فيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصنع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى من تزكى وذكر اسم ربه فسلم بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر تحيات لله الزاكيات لله الطيبات السلامات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إبراهيم اللهم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك Hamidou Majid asalaamaaleykum. ma ngoog euh, Thierno Mohamed bismillah bi dikkaat donc suñu posé nii euh, ñëwal Mohamed taxawal nii rek pour ñu xool racine yaa ngi suivre. waaw donc da ngeen ñu jéggal nag dafa sedd te ngelaw li dafa bari waaw mais lépp yiw la incha allah donc. c'est pour ñu dimbalante ñun ñëpp rek ci walu julli té li inshallah c'est comme je je euh, je l'ai dit à c'est pour s'entraider dans la dans la dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça va nous aider inshallah ça va aider aussi nos nos enfants et ceux qui vont écouter cette vidéo et la la, regarder jusqu'à la fin des temps donc on a vu que euh, la, sa prière de Fajr qui est une prière standard hein, euh, avec une sourate, deux sourates qui ne sont pas très longues, mais qui ne sont pas aussi très, très courtes. Donc, le tout nous a fait 5 secondes, 5 euh, minutes, 12 secondes et 55 euh, centièmes, c'est ça. Donc, Alhamdulillah, tout pour vous dire que, euh, Masha'Allah, la première raquette qui a comporté la sourate Annaba euh, a duré 3 minutes et quelques secondes. La deuxième raquette a duré 2 minutes mm. et quelques secondes. Donc, Inch'Allah, notez ça en commentaire et on va reparler de cela. Ça va nous donner, Inch'Allah, une idée d'une prière euh, standard, c'est-à-dire une prière. Vous avez vu que Tcherno n'a pas été très longue dans, ses, dans sa lecture. Il n'a pas été très longue aussi dans, son, dans ses recours, dans ses, dans ses réflexion et danser sous-jour aussi. Donc c'est une prière pour celui, par exemple, qui est euh, un peu malade, ou bien qui est en Europe, ou bien euh, euh, quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de sourates dans, le, Coran. C'est une prière normale. Donc maintenant, ce, ce chiffre qu'on a, 5 minutes, 15 secondes, ce n'est pas un chiffre définitif, un chiffre fixe. C'est-à-dire que Là, on a vu une prière normale, donc euh, faite par une personne normale, qui, a duré 5 minutes et 12 secondes. Donc, euh, ça, va nous donner une idée maintenant une prière qui est euh, effectuée dans, de très bonnes conditions. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Inch'Allah ta'ala, maintenant, on va passer à une autre prière qui est la, la prière de de Douhur par exemple, de Douhur ou, de Asr, c'est presque la même chose. On va maintenant faire deux rakahats hein, pour le Asr ou bien le Duhur Inch'Allah. Et ces deux rakahats-là, euh, ces quatre rakahats-là, euh, vont nous donner maintenant une idée d'une prière standard entre le Douhur et le Asr, Inch'Allah Ta'ala, pour finir maintenant avec le, avec le, Maghrib, Inch'Allah. Parce qu'on voulait se, limiter à ces deux prières, mais le frère Racine a proposé la sourate la prière de Maghrib, qui est une prière très importante aussi. Inch'Allah. Donc, Thierry Omar va faire Al-Iqama euh, et prier, euh, et prier, Masha'Allah, euh, Donc, maintenant, à la différence d'une bonne prière de Zuhr, c'est-à-dire que le Zuhr, on n'entend pas la, le récital du Coran. Mais ici, on va l'entendre euh, réciter des sourates normales pour, euh, dans, dans, dans, un, dans, un, dans un but purement pédagogique. Tchernobyl, bismillah. صراط الذين ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده Ahmed, Donc, ça, c'est ça devait être votre travail, vous les scientifiques, là. Mais là, on a vu avec euh, la première remarque qu'on a faite, c'est que euh, sa première rakat a duré une minute 30 secondes. Donc, donc le résultat qu'on a eu à la fin, c'est un résultat normal. On a, on a eu à la fin 5 minutes 6 secondes pour une prière de Asr ou bien ou de Zohar, Takusan ou Tisbar. Donc euh, là, on peut déduire de cette euh, expérience qu'on a que au minimum, il faut 1 minute 30 pour une raka'at pour une raka dans laquelle on récite la Fatiha de manière posée, une sourate de manière posée, Subhana de manière posée trois fois, Subhana de manière posée trois fois, le Tashahhud, hein, et Tcherno n'a pas utilisé la formule qui est très longue. Il s'est limité à la formule qui est accessible à tout le monde, la formule la plus courte. Alhamdulillah, et l'ensemble euh, nous a donné 5 minutes et 6 secondes. Alhamdulillah. Donc, euh, c'est un résultat qu'on doit maintenant, Inch'Allah, étudier encore pour voir euh, ce que ça va donner. Mais l'essentiel, c'est que chaque rakat, le minimum, c'est 1 minute 30 secondes. Et une prière de Zuhr ou bien de Asr, le, minimum, c'est 5 euh, minutes, 6 secondes. Donc, disons 5 minutes la prière, le récital, les, les, et le tashahud et le salut final. Inch'Allah ta'ala. Donc on va maintenant passer à la troisième prière qui est la prière de Maghrib, Inch'Allah. Là aussi on va chronométrer pour voir ce que euh, ça donne comme, comme durée, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. Une seconde. C'est parti, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر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 الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على

1 minute et 15 secondes. Ça, c'est une seule racate Et le résultat qu'on a à la fin euh, est vérifiable. On a à la fin 3 minutes 47 secondes. 3 minutes 47 secondes. Donc si... C'est ça, c'est ça. Donc c'est parfait. Donc pour une prière de, euh, de Maghrib, il faut au moins 3 à 4 minutes pour pouvoir bien prier. Mais ça, c'est une prière standard. Il y en a qui peuvent utiliser d'autres sourates plus longues ou bien d'autres sourates plus, plus courtes. On donne seulement la, moyenne pour que maintenant les gens puissent se baser sur ça pour mieux prier, euh, mieux se concentrer, mieux réciter, mieux faire leur euh, tasbihat et leur tahlila. Donc maintenant, sans plus tarder, on va faire la dernière prière, Inch'Allah la pierre de, de, Inch'Allah, pour voir ce que ça donne. Inch'Allah, avec d'autres sourates. Et euh, ce sera la dernière expérience, hmm. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah. ma ne nga nga nga julli ko comme ça du ñu pare li nga am ci ñaari rakk yi ñu tudd ko par deux muy quatre. mu jeex est lu def benn rakk ak saar benn rakk bi fàttee kese. ñu ngi tuddee ko par deux xool lu ñuy jox waaw parce que julli yi waxtu soo demee ci téere fiq yi durée yi dafa a gàtt yi nekk moo tax Euh, euh, la première prière il a utilisé une sourate un peu longue hmm. la deuxième prière il a utilisé une une sourate standard comme ça la troisième prière il a utilisé des sourates très courtes mais cette prière là ça va être une prière un peu un peu plus longue que ça donc euh, bismillah man nga tari lu ak waaw mu ngoog c'est parti donc incha allah on s'attaque à la prière de Aïcha deux rakats incha allah waaw defal ñaari rakka rek baax na on va multiplier par deux après bismillah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المستوي له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده Donc, Mohamed, euh, vous avez vu avec nous, Inch'Allah Ta'ala, euh, là, on, s'est rendu compte que le, plus souvent, les rak'at tournent entre 1 minute 30 et 1 minute 40. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, pour la prière de Aisha, euh, avec des sourates un peu longues comme ça, les rak'at. Donc, euh, la, la, la, la, la la la la prière d'Aïcha aussi, c'est euh, deux minutes pour la, pour la première rak'at. Donc, la, les deux premières rak'at, c'est avec des sourates. Inch'Allah, ça peut durer une, deux minutes comme ça. Et les deux autres rak'at, c'est pour la prière d'Aïcha qui dure, euh, qui comporte 4 à 4, mais avec des sourates un peu longues. Donc, Inch'Allah euh, on va euh, s'arrêter à cela. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de discussions L'essentiel c'était d'enseigner la prière, mais de manière pratique. Inch'Allah on aura l'occasion, Inch'Allah de faire la même chose la même chose aussi, surtout pour la hadra al Parce que pour le wird, la wazifa, il n'y a pas de problème. Chacun le fait selon son, les selon son rythme. Mais pour la Hadra, il y a une euh, exigence de, de temps. Donc, Inch'Allah, on va, euh, Inch'Allah, euh, si Dieu nous prête longue vie, Inch'Allah, faire la même expérience pour la, la Hadrat parce qu'en principe, la Hadra al ça, doit durer le temps de faire 900 ikhlas avec Bismillah ar-Rahman rahim Donc si on, récite 90 ikhlas, on multiplie par 10, la durée de, la, récitation de 90 ikhlas, on aura le temps précis pour la Hadra al le temps minimum euh, euh, qu'on doit prendre pour faire la Hadra Juma. Inch'Allah, on va euh, s'arrêter à cela. Donc, profitez bien de ces expériences qu'on a faites aujourd'hui, mais aussi, Inch'Allah, n'hésitez pas à poser des questions et à mettre vos impressions dans les, dans les commentaires. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde. Je remercie du fond du cœur le grand Tcherno Amarkan qui a eu l'humilité, la modestie de, se prêter à cette euh, expérience pour aider les frères à mieux cerner et à mieux comprendre et à mieux pratiquer leur religion. Je remercie aussi le frère Mohamed machallah qui a fait le déplacement depuis euh, euh, depuis son travail, qui a tout laissé avec ce froid-là. Machallah, ça caille ici, il fait très très très froid. Masha'Allah, c'est des sacrifices pour servir, la religion, Inch'Allah. Et le frère Racine aussi qui est derrière pour euh, filmer. Qu'Allah les bénisse, qu'Allah bénisse aussi tous les frères qui nous aident toujours dans l'accomplissement de, ces, euh, de ces œuvres, dans le but seulement de rechercher l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa Qu'Allah soit content de nous tous et nous donne la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de baraka. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.